ay ah, bismillah bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi man la Mariétou fii ci saveur planétaire incha allah u ñu fas yéene dellusiwaat tey fii ci kàttanu yàlla comme ni ñu ko fi baaxoo di defee di leen nuyu di leen ziyaar yéen di leen wàcceel seen wàccuwaay di leen ñaanal yàlla yu àddina ak àllaaxira di ñaanal njaboot geeg ñëpp tey sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu ko ah, di wax rek nekk tey macha allah macha allah gis ngeen na le ah, suñu yuubu yaaba yee feeñ ñu tàlleeku ba ni ñareet na di leen wax ne Saveurs dafa am tey gan gu mat gan macha allah muy madame Dieye euh, Yande fay sama rakk ju baax a baax a baax a baax macha allah euh, di ko ziar lu bare bari euh, tata Yande ñu ngi lay nuyu di la ziar fii ci Saveurs Planétaires nuyul gaañ yi. salaamaaleykum waa Saveurs Planétaires maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm. macha allah macha allah bon nag mbokk yi gis ngeen ni fi ñuy njëkkee gis ngeen tata Yande moom. Il euh, display am jël ay sont yaabaam yëpp tàllal leen ba ça dépend Asie. Thaïlande. Mhm. Euh, Guadeloupe Martinique. Guyane française. Oh Île de la Réunion. <laughs> Ah, ñoom ñëpp dañuy defar plat bi. léegi kii man li gis ni dafa mel ni soosu nga ñu fi nar indil boo xamante ne ni dama fi gis ay lait de coco. Euh, ñu ni dena ñom crème euh, euh, coconut cream cream of coco euh gis fi ñom sen njaay crevette moy shrimp yi gis fi ñom sen njaay sobleen ñom naanaak ñom oignon vert ñom poivron ñom ginjeer ak laaj ak curry wa fo foo nar tay ah tay xana je vais faire des crevettes mhm. sautées avec tu vois comme vous voyez j'ai les crevettes mhm. j'ai du de la menthe fraîche mhm. j'ai des oignons rouges j'ai du, euh, des oignons verts, mhm. cilantro, poivrons mhm. verts, poivron vert, mhm. rouge jaune. Là, j'ai du, euh, du garlic. Garlic. Et ça, c'est un peu de piment vert. Le piment vert long là, mais ça pique pas du tout. Quand au Sénégal, hmm. Ok, donc ak Et puis ça, c'est du, du gingembre. Voilà. Et puis euh, là, j'ai du, euh, du curry. Je préfère le curry jamaïcain parce que c'est plus light. C'est pas, voilà, pas, pas fort comme le curry indien. Mhm. Et puis bon, euh, ce qui fait ce planète c'est ça. C'est le coconut cream. Voilà, coconut cream. Bon, je l'achète à Trader Joe's, mais tu peux le trouver partout. Mais c'est moins cher. I mean, pour les gens qui sont aux États-Unis, tu mm-hmm. peux, vous pouvez aller à Trader Joe's. Ils ont de super bons articles, pas mm-hmm. chers. Mm-hmm. organiques Organique, et puis bon. Euh, ok. Voilà, voilà. Ok. j'ai du sel, bien sûr. J'ai du poivre. Et euh, j'ai du, euh, du garlic en, en poudre. Voilà, et puis euh, de l'huile d'olive. Voilà. Huile d'olive, ay euh, regular oil yi parce que c'est c'est plus light et puis bon c'est c'est vite fait voilà voilà mën nga rapidement rek ma def ben recap pour suñu mbokk yi nga xamné xam nga nak saveur machallah dafa bari audience yo xamné suñu mbokk gambien yi la tout le temps français bi dañ may yónnee ay texte ndeysaan dima wax ni que euh, ñu leen ci jappalé tamit donc fi tay sa sauce curry bi nga xamante ne que yaa ko fassiyene togg ak sa ay crevettes yu am maanaa gambaas yu dijji euh, ñamato si ciy dem ak ni koy bon yaangi sa soble yaangi fi ak sa euh nana moy bi fi ak sa scallion oignon vert bi soble bu gudd bobu euh, yaangi fi ak sa coriandre euh, mhm. cilantro bi persil chinois fi poivron vert jaune rouge drapeau Sénégal ne Hang dal di taxaw <laughs> yaangi fi ak sa la garlic de mhm. garlic yaangi fi aussi ak ginger ak Jamaican curry powder bi nee nga is lighter and you know it's just super delicious. voilà moi c'est ce que je léegi nga ne ingrédient bi nga xamante ne nag moom fa la gundus gundus gi ne gi soos bi mënut a ñàkk moom mooy crème coco bi. waay coo <laughs> léegi nag yaa ngi fekk sa xorom ak sa poobar ak sa huile d'olive nee nga. ñu toggee ko ak olive oil huile d'olive bi moom nga gën a préféré. voilà très bien fii nee na rajo. waa léegi. Euh, madame Dieye. Mhm. macha allah gis naa ne que taal nga léegi sa gaz teg sa marmite. voilà léegi fi mu ne nii looy looy njëkk ne loo ci njëkk ne réel. Euh, bah je vais commencer par mettre les crevettes. oh crevettes bi nga naan réel ci coow. voilà ma def crevettes crevette bi. Mhm. ba nga xam ne ndox bi dafa dañ complètement euh, da ngay muusal crevettes. parce que yow oh. gisuma nga def ci diwlin gisuma nga def ci ndox. non pas encore dama koy def ba ndox bi dindeeku. très bien après je l'enlève je le mets je le mets à côté. Mhm. voilà je suis en train de mettre les crevettes là mais les dafa le crevette yi nekk ay gamme yu dijji ba toll ni man. it doesn't matter. like oh, crevette am voilà mais fraîche na que vous fraîche quoi. vous nekk que congelé voilà pas les trucs nga c'est déjà cuit y a des trucs qui sont pré-cuits. pas ça. Ah mais moi c'est ce que je préfère. Mais bon, après c'est au goût. Mhm. Et puis même ce plat, tu peux le faire si tu veux avec euh, du poulet c'est très bon avec du poulet. bon même même sauce voilà même sauce oui avec du poulet. Bon, poulet poulet voilà <laughs> tu peux faire ça avec du saumon. voilà c'est très bon le oh saumon. ouf ou tu fais ça avec euh, un filet mignon aussi ça ça passe. <laughs> est-ce que xam nga benn affaire. gis nga uh-huh. ñu ngi ko fi livré sama doom ci saveur planétaire xam as leen xam faire xamante dinañ ma bindal na ma bon ñi ngi xaar bu somo bi wala ñi ngi xaar bu filé bi. ba sama sama xale ci gëna joggé nak machallah yalla na leen yàlla taxawu. ñoma ma naan tata mariatu yow de sa goro xam naa bu sobo bi lay préféré nee naa ma sa goro xam naa ne bu sobo bi lay eh, bu bu filet mignon lay préféré. mais man papa Dame Dieye nag il adore les fruits de ah, mer les crevettes ah mon frère mon everything yal na ko yàlla taxaw. amiin amiin donc je vais mettre un peu de sel amiin borom baax papa d'Am, donc il adore les crevettes. donc ça je préfère faire avec euh, des crevettes tey. ko ba kenn et bon tu tuuy. tu tuuy rek da ngay yëngal yëngal. ba ba ndox bi deñu fait. waaye léegi ma la. dafa mel ni mhm. dama la seen nga ci léegi j'ai mis un peu de sel. pour du douane. voilà parce que def man personnellement. Mhm. sama ma je mhm. Amine sama yaay ça ma un waaw. Mhm. da ngay xorom euh, bi muy dugg si voilà <laughs> ñun au fait non la def. sama donc euh, voilà.

fay yànd moom dugg si na may leen ay tuy donc nee na lu ci tuy ah bon nag leen ko ci tuy tuy tuy. Ah, waaw maa ngi leen di nuyu Salem yi. yee macha allah maa ngi leen di nuyu oh, ñu baax voilà maa ngi nuyu yaayu Dame Dieye sama chéri. Oh, yaayu Sall la tudd. borom baax ku baax nag amin amin ku baax ku baax. amin amin amin. amin oui. amin Fatima et tout mes deux petites chéries. donc tu continues de touiller comme vous voyez ça change de couleur. Vous commencez pink. Vous commencez rose voilà vous commencez rose mais toujours faux vif hein. Faux vif toujours toujours. Voilà parce que voilà parce que boo ko defee fouet bu ndox ndox bi dafay dafay le lu et après tu as du mal à ndox tu as du mal à. voilà mu exactement.

donc euh, comme vous voyez maa koy dindi. Mhm. Mhm. def une plate. Mhm. et puis bon je vais mettre ça à côté. voilà. très bien vous voyez comme la couleur a changé c'est rose c'est cute c'est. c'est everything. voilà <laughs> donc je mets ça. à côté jarul leen raxas bi quoi. ok so euh, simple même chin bi ngeen utiliser. vous mettez de l'huile d'olive. ok huile d'olive. voilà je mets de l'huile d'olive. Uh-huh. lu war ben tolloog euh, kuddu louche. pour euh, quantité bi ñuy togg. kind of voilà. ok voilà vous prenez de l'huile d'olive. Uh-huh. vous allez mettre c'est vrai je super mais huile d'olive warul comme tata huile d'olive voilà vous mettez des oignons je mets mes oignons. bon soble bi mom nga naan wel li ci biir. voilà des fois ay ay monde menthe jarale les biir mais bon c'est pas c'est pas très grave. Euh, c'est pas c'est pas diable. voilà c'est pas c'est pas méchant. c'est pas méchant. là vous mettez feu vif aussi. moom so big heat nga voilà ok je mets euh, les oignons. les oignons oignon vert avec, euh, pas oignon vert I mean euh, oignon rouge. Uh-huh. regular oignon rouge ak uh-huh. euh, yellow oignon. ok Voilà loolu le la bëggoon laaj recette bi soble bu pour faire rek la laaj wala soble bu nit am rek. soble boo am rek man c'est que j'aime bien les les oignons rouges pour y plat plaire parce que day rafetal togg day day day coloré day exotique. ba pare kooko tudd la njaxas. voilà <laughs> exactement. kooko yi la njaxas. donc je je mets les oignons. Uh-huh. soble dugg na. je mets de l'ail voilà et puis euh, je mets aussi le le ginger. ok le ginger ginger Encore, voilà je l'ai coupé grossièrement. grossièrement. comme les oignons. Mhm. bon là de de ko ba mu mhm. et puis bon bah les... parce que moi, j'aime bien sentir le le garlic ak le ak jinje bi nga koy nga koy lekk di ko daj au fait di ko màtt. xam nga kooku ñu koy woowee. non di ko yëy di ko daj. di ko yëy di ko daj comme tu exactement voilà exactement donc là tu touilles tu touilles tu touilles. Ah, fii mooy bàjjee xam nga tuy gi ñu ko wolof yi wax. non non moy nga bajé kon boobu ñu bajé ko. bajé bu ba ci dara nakari kon boobu nañu bajé oh. ñu bajé on touille on touille. képp laaj ak jinjeer. c'est c'est c'est excellent. et puis on met du sel toujours un peu de sel. et puis euh, <laughs> je touille. je touille, je touille, je touille. Oh, ça sent trop bon. Oh, merci, Ah ouais, tu mets beaucoup de garlic. Voilà, moi j'adore le garlic, les oignons. J'adore le poivre. fraîche, fraîche. Voilà, fraîche. Vraiment, mon tongoubo fraîche là. Ah, fraîche, Tongoubo fraîche, tu touilles, tu touilles toujours. Oh Donc voilà. Et comme dit Marietto de Saveur Planétaire, le petit tout le euh, vinaigre de riz vinaigre de vinaigre de riz mais ça c'est mon secret en fait. c'est mon secret en fait le vinaigre de riz. c'est ça c'est mon secret en fait de mes de mes de favorite sauces like même quand je fais du nyankatan. ah non mais tu mets juste un soupçon. soupçon soupçon de vinaigre de riz. Et puis c'est ça qui sort le goût. mais vinaigre de sushi rice rice et d'habitude le je le fais avec le sushi rice bien sûr parce que bon j'adore le sushi rice c'est mon favori faut faire du rice voilà c'est am avec du nyankatari. voilà avec du nyankatari. donc là je mets euh, le piment vert là un peu. pour les enfants ou pour les gens qui n'aiment pas trop le le piment. et là je mets mon avalanche de de poivrons voilà. voilà drapeau du Sénégal d'ailleurs maa souhaitait les lions bonne chance pour la Coupe d'Afrique yàlla na si le def jàmm. Amen, amen, amen. vraiment maa ngi leen di souhaiter ñu gagner kii boobaa. amiin tout dans la paix et discipline. ndam li daal rek. voilà soxla nañ ko léegi fi mu da ngay voilà je touille. ok alors tout à donc maa je vais continuer à continuer je vais naa ci poivron bi. Uh-huh. et là je vais mettre. Euh, le Jamaican curry. mais voilà il faut que ce soit très très très relevé. voilà exactement. vas-y dis-moi donc voilà je touille je touille toujours. et puis bon bah je vais mettre euh, du poivre du poivre. mais le poivre il faut pas hésiter. Ah ben, oh, comme on a des enfants. tu en mets un peu mais s'il n'y a pas d'enfants. Uh-huh. il faut que ce soit bien relevé au fait. mais d'habitude je le fais avec euh, le poivre du wagnar non? voilà wala le oh. de exactement voilà. est-ce que non machine c'est voilà. Et là, euh, je, vais, je vais remettre les crevettes. Ah, voilà. Tu le mets, c'est pré-cuit. Mm. Continuez tout rek, remuer, bien mm. sûr. Toujours faux vif. Voilà, faux vif euh, Voilà, exactement. Et là, je vais, remettre un peu de sel. Tout rek. Voilà. Et je remets euh, mon secret, le vinaigre de riz. Bien sûr, ce vinaigre de riz. Très bien. C'est excellent. Tchou ça donne un, goût un peu sucré. Uh-huh. waaw waaw rice vinaigre bi dafa dafa siif tuuti. exactement mais léegi ku nekk fi nga xam ne amul rice vinaigre mën na jël rek vinaigre bu mu am. voilà da nga jël regular vinaigre ma doo ci def lu bari. tuuti nga ci def comme vinaigre euh, euh, bu bu normal bi dafa xaw a weex. Uh-huh. parce que affaire bi. Uh-huh. Euh, après dama ci def citron tamit un peu de citron. voilà exactement. donc là je continue de fouiller. vous avez vu la couleur c'est c'est super joli c'est exotique. c'est voilà. mais xam nga dama ma wàññi tuuti feu bi léegi def ko medium. def ko medium voilà def ko mu yam tuuti quoi. léegi nag nga bàyyi ko tuuti mu gus gus yi. gundus gundusee. voilà exact laaj mu tem tem sama yaay dafay ne. bàyyi leen affaire bi tem-temi like bàyyi leen mu amine amin yàlla na ko voilà exactement ah. danga koy bàyyi mu baar like togg dang koy bàyyi touti mou mu dal togg mom voilà jox ko rek ak voilà exactement c'est une passion façon c'est ça mhm. la cuisine so bëggee mou neex il faut nga bëgg togg voilà c'est une passion parce que euh, lo bëggul doo ko mën def ak amour doo ko mën def ak exactement il faut que ma la benn anecdote ak euh, mère Diop sama yaay right Euh, léeg-léeg mu am ku ma bind na ma lu tax booy togg doo sol ay gan uh-huh. gis nga ak sama yaay dafa ni woon lépp looy def ci biir wàññi il faut nga yëg ko da nga koy. exactement te nee na warul am benn intermédiaire sa diggante ak loolu. ba bu ñu daan dëbb ay net togg yooyu. Uh-huh. Euh, di defar suul wala dëbb ay. Uh-huh. suul rek bañ mu xeeñ ci loxo yi di jaay noonu. gis nga di def ay affaire <laughs> jaay tubaab. su ko defee nga gis ci gën bi ma jël kuddu naan ne di bëgg a xoos. bu ko fay fekk euh, bu fekkente ne lu mu fekkee. waay tamit mu ëpp buum bu keroog daal. da ngay wax rek

il faut sentir les choses, comme ils disent. Donc voilà, euh, là, je vais remuer kibi, pot bi. Voilà, j'ai remué le... Euh, moom cam moom mooy cream koko bi. voilà coconut cream. coconut cream bi donc nga defaat ko xaay. fo bi nga ko yokkaat bi. voilà nga defaat ko xaay. Uh-huh, sotti ko ci. voilà donc voilà tu tu le mets. ah lait de coco ngi. Euh, crème crème de coco. coconut cream voilà. mais ku amul ku amul ku crème tu prends du lait coco mais ça coconut cream bi dafa far au fait. Ah, donc euh, day gaaw a concentré. exactement parce que lait de coco bi dafay dafay dafay light au fait dafay ndoxe. Ah je préfère mettre ça voilà euh, ah. donc voilà j'ai mis euh, le coconut cream. Mm. ça commence à ça prend forme. et couleur bien sûr. Oh donc mon

Euh, je vais mettre les oignons verts. Oignons verts, yi bon moom kenn du ko togg muy tàcc. Euh, non non non balaa ngay fay gaz bi rek nga ko ci may benn voilà tu juste like nga bàyyi ko noonu tiital ko comme tu dis Mariette. coow. et puis bon bah. je mets la menthe. naana gu bari laa da nga sëq voilà au fait tu fais comme tu sens en fait. mais moi j'adore les épices donc. Euh, il faut mu saf ci bari bii dafa war a relever. ok les yow ñu taxaw faire, gis naa n'eka. que. Euh, persil chinois bi haché wuloo dang ko witt rek bàyyi ko ci. voilà grossièrement. nana bi tamit euh, ko la tuba bi naan. grossièrement grossièrement. oulala grossièrement voilà. voilà et puis bon je vais remettre le feu à vif un peu. nga yokk bon dal feu bi day yéeg ka wàcc. voilà day like it's like up and down. up and down. voilà mu ngi nii gis ngène Euh, voilà. voilà c'est tout ce qui est océan Indien, Asie, Asie you know, même, même Sénégal, parce que Sénégal, on aime bien cuisiner relevé. Non, voilà, on a, oui. voilà, je, pour maintenant, je, je pense qu'on fait partie des meilleurs chefs. Hein. Non, les Sénégalais, ils, you know, dañoo mën a togg daal waa Sénégal. voilà au man togg dama bëgg muy saf di relevé il faut que ça soit bon. gisoo keroog ndolle ma fi yel ko ci ñam ko def nga ci non je te jure ma ne ko am ah, mu ne ma dugal nga allah togg rek def Sénégal donc je mets en dernier je mets du citron oups pardon Non, c'est tombé mhm. j'en ai un autre mhm. voilà li bariwul ndox ah, bari ok je vais je vais prendre un autre citron où il y a un peu plus d'eau et pendant ce temps euh, je, je vais continuer de touiller là touille touille je touille. le <laughs> que tu touilles. voilà, ça c'est ça c'est du citron bon ramener. il mhm. euh, y a plus d'eau. Mhm. I guess. Oh, soo dama koy def comme ça dormi douci. du tu euh, voilà mais bon le citron loxo voilà le citron tu tu mets pas beaucoup beaucoup beaucoup de citron. tu mets juste euh, voilà da ngay jël le citron bi nga def ko si. Hmm. voilà su que le citron bon ramener des fois bari jus. Mhm. tu mets juste le le le code du du Ben xaaf bi quoi. Mhm, mhm. mais xam nga kan la bëgg a yekkal man personnellement. Uh-huh. Euh, ci sa carré suis euh, carré bii nii. right. Euh, Ndeye Assou Mbaye madame Diop. voilà Ndeye Assou moom jëm ci Ohio. voilà Ndeye Assou ñu ngi lay yekkal. waaw caatu yaayam Mboy ak papa boy. <laughs> ak Anta. ak Anta bien sûr mais bien sûr mais of course Papa Dame loolu ça va de soi Papa Dame d'abord. je me rappelle la dernière fois qu'il était de passage. Mhm. dama ko togg like la veille qui qui voilà mon inibi mhm. après mu lekk ko mu ne mais mhm. mais y a kàppal lu tax nga bàyyi ba may dem nga soog a togg lii dama ko waroon teel a toggal ma ciy tous les jours. ñu coup guerre, mu may comme madame mon amour je te le ferai quand tu veux je peux l'envoyer par FedEx. <laughs> je, je peux l'envoyer par, par, par les GP. Par partout. Voilà, exactement. Par partout. Donc voilà. Hmm. Well done c'est prêt. Donc, euh, feuille Et puis euh, c'est des trucs qui sont vite faits. C'est like, voilà, like, vraiment c'est un truc euh, très rapide, hmm. c'est healthy, il n'y a hmm. pas beaucoup d'huile, les chums sont frais et you know. Tout est Voilà, et puis c'est coloré. Voilà, that's it. machallah, oh, ma tabarakallah tata Yande gis ngeen ko fi mu génne may na benn petit ñankatangam dóor ko benn bul santere ko ci digg assiette jël tomate fraîche am lu vert loolu may seen booban la ci. c'est les feuilles de menthe la fraîche. sànni ci ndànk say feuilles de menthe fraîche. always fresh. ubbil ma kii moom ma xool jongo ba ñëw. donc voilà ça c'est la sauce. oh macha allah. sauce bee nekk nii. c'est cute c'est c'est exotique. co.

toi on a je te l'ai mis dans un gros bol rek un très très gros bol. de mais léegi bii bu ndaw bi même ci petit ñeex à côté. voilà donc euh, sushi rice comme on dit d'habitude voilà pour. Euh, nga def ko ndànk ndànk pour. Euh, bon ngàll gi la. voilà et puis boobaa. <laughs> Euh, eh, tu eh, mets la sauce dessus. la sauce dessus. moi tural loxo tuuti ma sauce dessus. Voilà, tu mets autant de crevettes, tu mets ce que tu veux après. Bon, oh après tu fais comme tu veux au fait. Hmm. Donc voilà, vous donne papa d'amni la ko les tajalé. les ni yakal. bien sûr, of course papa dam Inchallah borom yaru Diko allah di ko gërëm Jéy Masamba ak Yirim Jéy Masamba ak Yirim kenn du yow macha allah yal mm, mm. may aussi Ndey Marie Ndey Marie Ndey Marie la femme de Vieux Ndoy. oh madame Ndoy. voilà la conteneur comme il l'appelle sama mbokk séeréer bu baax tamit macha allah ku baax bëgg ma mm. bëgg vraiment hein, Ndey Marie je mm-hmm. t'adore mm-hmm. j'en profite encore pour te pour te dire à quel point tu, tiens à toi, hmm, à quel point je t'aime. Et c'est sincère. Dis-le comme Yomi Ibadou. Ah, Donc, papa, dame, dis comme Tamit Mas, Mas, moi, président association sénégalaise pour bu New Jersey di efficace Mashallah. chérie Mounas il fait du bon boulot très efficace très ponctuel macha grand mas yal na yàlla barkeel business bi donc euh, voilà di ko may à euh, tous tous les sénégalais di ko may lions yi encore une fois a le leen yàlla may ndam voilà yal na ngeen sori ci coupes bi tu y ci le def jàmm et puis euh, merci tout de m'avoir invité non man maa lay remercier léegi ah, gis nga nii comme man xam nga maay meer ñeex xawlal def ma may ko ci ben peinture ni, xaw a taqal assiette bi nii mais bi amul xooñ c'est dommage non non kooku dañ koy quoi kooku bu ñuy puuca là, kooku bu tëddee nelawal xooñ bi moom donc voilà merci Saveurs Planétaires yal na yàlla barkeel business bi. cant ak ngërëm ñeel na la yal na la yàlla fay. li may wax ñi ma fi invité yëpp ci sa disponibilité xam nañ ne weekend bi rek la am. liggéey wàcc wala ñëw toog songu njaboot géeg yëpp bàyyi te yëpp ñëw rek songu Saveurs Planétaires uh-huh. di wax ne lii nag moom euh, Ndeye ma dem Diop uh-huh. ma ngoog voilà gis nga jal bee nga sànni ne li uh-huh. ma ngoog ñoom waxtu wu ñu yegsee rek uh-huh. nañ xataraay ci loolu bàyyi ma leen ko siwal avec son mari thank you so very much Mayande yàlla la yàlla fay you very welcome thank you so very much ci sa disponibilité ñu ngi lay xaar nag ci boroxe waaw dinaa defar boroxe très bien alors gros bisous à tout le monde ma ngoog di wax nekk vidéo complète yaa ngi ci youtube bi comme d'habitude donc li lañ leen indiloon tey fii ci saveur planétaire <laughs> muy soosu curry shrimp bu fatt tarek yi nga xamante ne ma def maa yàlla fi gën ak coconut cream waaw creo un poco más así.